Le forum du studio Calam. Le forum les auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous journalier, celui du forum du studio Kalangou. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le forum du studio Kalangou chaque jour en français du lundi au vendredi à partir de 18h15 et le week end en Hausa et en Zarma à partir euh, de 17h15 euh, Tous les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct de Niamey par un réseau dynamique de 34 radios partenaires couvrant une vingtaine de départements du pays ainsi que toutes les capitales régionales. À Niamey, vous pouvez nous suivre à travers Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook, c'est Studio Kalangu et notre site internet www.studiokalangu.olga. C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons pour cette émission radiophonique à travers laquelle le Studio Kalangu a pour ambition de vous aider à trouver des éléments de réponse aux questions d'actualité et de société que vous vous posez habituellement. Ce soir, le thème que nous abordons est la justice face aux droits et aux devoirs des citoyens. Rappelons que la justice est un principe juridique en vertu duquel les actions humaines non conformes aux lois en vigueur dans une société doivent être sanctionnées dans le but de respecter strictement les lois et devoirs de chacun. La justice a par ailleurs d'autres connotations philosophiques et morales, notamment lorsqu'elle est prise sous l'angle de la justesse en matière morale, c'est-à-dire qu'elle doit s'interposer à tout moment pour mettre fin à l'égoïsme spontané des hommes qui fait que chacun veut réclamer tout pour soi et non à chacun sa part. Il est ainsi facile de constater que chacun se croit aisément victime de l'injustice des autres sans se rendre compte du tort qu'il cause aux autres. Que signifie donc en profondeur la justice au sens philosophique et juridique Quel est son lien avec le principe d'égalité des citoyens Peut-on concevoir un état de droit sans justice, état monarchique par exemple quels sont les principaux droits et devoirs des citoyens nigériens Quel rapport existe-t-il entre les droits et les devoirs Dans un état de droit, on dit souvent que tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Comment expliquer cela quand on sait que les inégalités sociales ne manquent pas De quels moyens dispose le citoyen pour défendre ses droits Existe-t-il des lois injustes que signifie l'effort de justice Ce sont là essentiellement les questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse au cours de ce forum qui reçoit ce soir deux invités. Il s'agit de M. Loli Abdeliman, professeur de philosophie, ancien conseiller pédagogique en philosophie. Monsieur Loli Abdeliman, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le deuxième invité est Dr Maïna Bouka, que nous, qui est arrivé. Donc, il est constitutionnaliste. Docteur Maynakate, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Michel Degé. Docteur Maynakate, comment vous, vous définissez la justice en tant que juriste euh, Merci bien, je suis, euh, comme vous l'avez dit, juriste. Je suis le secrétaire général de l'Association nigérienne des constitutionnalistes. Et, la justice, euh, quand on dit euh, justice, euh, j'entrevois je, deux choses. Mhm. Je considère ici la justice comme d'abord un pouvoir, un pouvoir incarné par un certain nombre d'institutions, donc judiciaires ou juridictionnelles. Mhm. si je regarde un peu la Constitution, elle dit à l'article euh, sans cesse que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, mhm. la Cour de cassation, mhm. le Conseil d'État, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. Mhm. Donc, euh, quand on dit justice, je vois ce pouvoir-là hein, à côté de deux autres, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, c'est un pouvoir exercé par un certain nombre d'institutions que je viens de citer, hum, hum. n'est-ce pas et, la justice, euh, c'est aussi, il faut l'entrevoir en sens, dans le sens d'une décision. Hum, une décision euh, rendue par donc, les institutions judiciaires que je viens de noter. Et donc une, une, décision qui est euh, revêtue de l'obligarité parce que elle est elle, est, couverte par ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Donc mm. une, décision rendue par un pouvoir investi d'un pouvoir, le pouvoir de juger, et que cette décision, donc, elle s'impose à tous les pouvoirs politiques, euh, euh, tous les pouvoirs civils, et euh, elle fait partie donc de ce qu'on appelle le principe de l'égalité, c'est-à-dire que même les pouvoirs publics sont tenus de respecter cela et sont tenus de prendre toutes les dispositions pour rendre effectif la décision rendue par, par le juge que nous appelons donc euh, euh, dans un sens un peu plus euh, large la justice. Ça, c'est le sens euh, juridique que nous avons, Monsieur Loli Abdelimam, que signifie la justice au sens euh, philosophique Oui, bon, je ne sais pas si c'est le sens spécifiquement philosophique, mais bien sûr, euh, la justice voudrait justement donner à chacun selon ses mérites. Voilà, mm. chacun sa part. Mm. Chacun, donc, selon ce qu'il mérite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça que je conçois un peu, disons, la justice. Docteur, peut-on parler de justice lorsque dans un État, l'exercice du pouvoir d'État ne constitue pas l'apanage de tous les citoyens Nous avions pris l'exemple des pays dirigés par des rois où la transmission du pouvoir euh, est quasi héréditaire. Et en principe, la justice, c'est un élément de l'état du droit chacun assume valablement ses obligations, ses, devoirs euh, et, respecte les droits des autres. Mhm. Donc c'est un État où, euh, euh, vraiment la démocratie est très perfectionnée et mhm. c'est une c'est un chantier qui ne finit pas l'état du droit. C'est un chantier qui ne finit pas. Donc dans un état du droit, le juge, pour arriver à l'état du droit du moins, le juge est appelé à jouer un rôle aujourd'hui les démocraties consolidées comme les États-Unis d'Amérique, comme les démocraties d'Europe, mhm. elles sont consolidées, euh, elles ont été consolidées par le juge, mhm. notamment le juge de la Cour de cassation, le juge de la Cour euh, du Conseil d'État et euh, tout récemment donc le juge de, la Cour constitutionnelle. Mhm. Donc c'est le juge qui donne qui imprime aux citoyens la manière de marcher, la manière de danser, le juge, c'est lui qui va fortifier l'état de droit, c'est lui qui est appelé à jouer un rôle. Ce n'est pas seulement le pouvoir public euh, exécutif, ce n'est pas seulement les citoyens. Il faut que le juge euh, reste indépendant dans son esprit, mhm. il faut qu'il reste ferme dans ses décisions et il faut qu'il soit euh, vraiment qu'il ait la liberté, la, liberté d'esprit. Mhm. Et ça peut amener, ça peut favoriser l'avènement d'une certaine culture démocratique propres euh, propre à forger l'état, l'état du droit. Voilà. Donc, donc, dans un système où il y a il n'y a pas de l'indépendance du judiciaire, mhm. où il n'y a pas la justice du, du, tout, alors il est euh, pratiquement impossible euh, de voir s'ériger l'état du droit. On ne peut pas consolider l'état du droit quand la justice est bafouillée par les citoyens ou bien par ceux qui sont chargés de la rendre, c'est-à-dire les juges. Ça, c'est le principe. Mais il y a quelques exceptions à travers le monde. Mhm. Et il y a des, des, monarchies où la justice euh, n'est-ce pas, euh, si je prends le cas de la Grande-Bretagne, mhm. c'est une euh, des c'est une démocratie, une des vieilles démocraties au monde, très bien consolidée, c'est un état de droit, hein, mais le système il est héréditaire. Donc, euh, c'est vrai que le système euh, monarchique ne va pas de pair avec euh, la démocratie et l'état de droit, mm-hmm. mais il y a aujourd'hui quelques exceptions, comme la Grande-Bretagne que je venais de, citer. Justement, prenons le cas de notre pays, le Niger, il est dit dans l'article 8 euh, de la Constitution de la Septième e République que la République du Niger est un État de droit. La Constitution est affirmative à ce niveau. Oui. Pourquoi, docteur Oui, la République du Niger est un État de droit. Toutes les constitutions des pays francophones vont euh, dans ce sens. on est euh, au-delà de la démocratie, c'est un état de droit euh, donc qui garantit la séparation des pouvoirs, qui garantit les droits et devoirs des citoyens. Et puis, c'est un état de droit parce que tout est dit dans la Constitution, tout est organisé par la Constitution. Mais du point de vue doctrinal, l'état de droit, ça ne se décrète pas ça se forge. C'est un travail de fond qu'il faut faire. C'est un idéal qu'on doit C'est un idéal. C'est un idéal là, c'est une affirmation. Là, c'est une affirmation. Que la République de Niger est un état de droit, comme si l'état de droit est déjà là, présent, et voilà. Le, constituant est presque obligé de dire que c'est un état de droit, parce qu'il faut partir de ce postulat avant d'apprécier le comportement des gens. Il faut mhm. dire que nous sommes un état de droit. Mhm. C'est par rapport à cette affirmation-là qu'on peut maintenant mesurer calculer, et le, comment appelle ça, mhm. l'activité des pouvoirs publics, mais aussi le comportement des citoyens que nous sommes. Mais l'état de droit, je pense que c'est un chantier. Euh, et, les pouvoirs, et les gouvernants et les gouvernés, nous sommes tous les ouvriers de ce chantier. Chacun doit faire preuve d'un certain comportement pour que cet état de droit-là se consolide du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que l'état de droit soit consolidé L'état de droit, pour qu'il soit consolidé, dans un premier temps, il faut respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Mmh. Il faut euh, respecter la Constitution dans sa lettre et dans son esprit. Il faut respecter les droits et les libertés mmh. des, citoyens. Il faut respecter euh, les biens publics. Il faut travailler pour la collectivité nationale. Il faut être dévoué à la collectivité nationale, comme c'est dit dans la Constitution. Mmh. Donc, c'est vraiment un certain nombre de comportements positif mm. qu'on peut résumer au respect du droit mm. et à, euh, au respect du droit, mais aussi à l'accomplissement de ses devoirs tels définis par la Constitution. Nous allons revenir à vous, docteur. Euh, Monsieur Lola Abdoulimam, vous êtes philosophe. Quel est l'intérêt de la justice pour la société On a l'impression d'ailleurs qu'il y a plusieurs, la justice commutative, la justice distributive, la justice rectificative. Pouvez-vous nous expliquer tout cela Oui, bien sûr. Mais eh je voudrais dire peut-être juste un mot, donc euh, disons à ce qui a été dit tout à l'heure, tantôt, voilà, tout à l'heure. Effectivement, il ne suffit pas de décréter l'état de droit pour que les, citoyens puissent vivre euh, effectivement en fait des droits et libertés. Mhm. Non, il faut distinguer, par exemple, entre liberté de fait et liberté liberté de droit. Mm-hmm. Euh, effectivement, la liberté et les droits sont une conquête permanente, mm-hmm. n'est-ce pas, qu'il faut, qu'il faut mener euh, à chaque fois, même dans les démocraties raffinées, naturellement. Et mm-hmm. c'est parce qu'il y a, comment dire, des dispositifs, effectivement, que ces droits-là sont maintenus, je pense. Donc, euh, il suffit pas simplement que, ce soit déclaré dans le texte pour que mm. les, uns et les autres puissent en effectivement. Mm. Je pense qu'il faut bien euh, ici le dire. Quel est le rôle de la justice dans, un État Je pense que euh, c'est l'équilibre même social. Mm. Euh, tout à l'heure, docteur le rappelait, n'est-ce pas Vraiment, dans tous les États, même dans les monarchies, mais on a besoin, effectivement, comment dire, d'une justice forte. Parce que c'est ça qui permet l'équilibre social je pense, hein, parce que quand la justice, c'est le véritable baromètre en fait, euh, même de la démocratie, mhm. véritablement. Pour que vraiment tout puisse aller, il faut qu'il y ait la justice, parce que tant qu'elle n'existe pas, bon, là vous avez parlé, je crois, euh, de la justice distributive, etc. Bon, en fait, c'est que du point de vue philosophique, euh, en fait, les réflexions ont été menées depuis, hein, pour savoir quel est le critère qui est le plus à même de définir la justice. Mhm. C'est, nous semble-t-il, l'équité. Pourquoi Parce que euh, quand, quand il n'y a pas, c'est l'équité, c'est l'égalité. Mhm. Quand il n'y a pas d'égalité, tout de suite, nous versons dans, dans l'injustice. Mhm. Exemple, bon, quand vous avez deux compétences égales, mais des, salaires différents, je mhm. pense que nous sommes bien sûr dans un cas d'injustice. Ou bien, je ne sais pas, deux délits différents, mais avec des peines euh, tout à fait différentes. On va parler tout de suite de justice à double vitesse, donc d'injustice hum. de ce point de vue. Donc c'est sûr que ça veut dire que quel que soit le citoyen, s'il commet la même infraction, il doit subir euh, la même peine. Le principe d'égalité, c'est cela. Hum. N'est-ce pas Traiter tous, euh, tous les citoyens donc au même pied d'égalité, hum. je pense. donc, maintenant, en fait, le vrai problème, euh, si le critère le plus à même de, définir la justice, c'est l'égalité. Maintenant, le vrai problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'une égalité juste. Mhm. Est-ce que égalité veut dire, euh, euh, comment dire, égalité au sens mathématique strict mhm. Mhm. ou pas euh, effectivement, c'est dans ce contexte que, euh, disons, des pensions ont réfléchi. Mhm. Et par exemple, Aristote propose trois types de justice, mhm. selon ce principe d'égalité, mais qui sera plus différemment. Mhm. Euh, par exemple, la, la justice commutative, effectivement, là, on parle, si vous voulez, d'égalité stricte. Par exemple, cette justice doit s'appliquer aux échanges. Pour qu'un échange soit juste, il faut que, par exemple, les termes échangés aient la même valeur. N'est-ce pas Et je pense qu'au-delà, comment dire, de la valeur des objets échangés, il y a aussi la valeur des personnes qui sont les, les échangeurs. Mmh. C'est parce que ces personnes sont égales qu'aucune ne doit être lésée de ce point de vue. Mmh. Euh, d'accord Donc là, euh, égalité veut dire, si vous voulez, euh, équité, égalité stricte mathématique. Mmh. Mais je pense que l'égalité mathématique n'est pas toujours un critère de justice. Par exemple, quand nous sommes face à des personnes inégales, avec des ressources inégales, ainsi de suite. vraiment, quand vous donnez équitablement, je pense que vous pouvez verser dans euh, dans l'injustice. Ou bien même, par exemple, un, exemple simple, dans une classe, euh, je pense que tous les <laughs> élèves n'ont pas le même mérite. Mhm. Et par conséquent, donner la même note, ce serait injuste. Mhm. Il faut donner à chacun selon ses mérites. Donc là, je pense que c'est la, la proportionnalité. Voilà. Mhm qui est, qui mhm. Et donc, dans le domaine de euh, docteur Cartier tout à l'heure, le, domaine du droit, là également, je pense que la proportionnalité est également suivie. Mhm. Je pense que dans la justice, aussi bien appliquée, euh, en fait, dans les sociétés dites primitives, hein, mhm. anciennes par exemple, euh, avec la loi du talion, là c'est clair. Œil pour œil, dent pour dent. Donc là, c'est, disons, la, proportionnalité. Donc on, va juger selon, proportionnellement en fait au délit commis. Voyez-vous, euh, je pense que même dans la justice moderne, le juge est quand même tenu de respecter cette équité-là. C'est pour ça que, bon, le spécialiste le dira, je pense que, les, comment dire, il y a toujours, c'est dans une fourchette en fait qu'on donne les peines. Mhm. Parce qu'il faut donner la, latitude au juge pour juger, pour juger, par exemple, la gravité du dommage causé, n'est-ce pas euh, Pourquoi pas même euh, de son intention réelle, mhm. n'est-ce pas Ainsi de suite. Donc, autant d'éléments qui sont pris en compte, je pense, qui, qui justifient ici la proportionnalité. Voilà, c'est donc là euh, le cas de la justice répressive. Donc voilà ces trois formes de justice. En réalité, c'est en rapport avec, euh, si vous voulez, le critère euh, d'égalité qu'on parle de ces trois formes de justice, si je peux dire. Docteur, euh, nous le savons, la Constitution dit à son article 116, euh, vous l'avez rappelé, que euh, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ce même article dit donc que la justice est un pouvoir, c'est l'un des trois pouvoirs donc de la République. On le sait bien, mais quelles garantie les citoyens ont de cette indépendance de la justice Et je vais revenir un peu d'abord sur euh, donc les, euh, Monsieur, Monsieur, Abdou. Euh, je, je, je, voulais dans le même sens en fait. Je apporter des précisions mhm. par rapport à l'accomplissement de la justice. En fait, et, euh, du point sur le plan juridique effectivement, mhm. c'est la même chose que sur le plan philosophique. il faut parler de la jouissance des droits, mhm. la juste la jouissance du droit euh, de façon juste et égale, égalitaire, et la, la, manière de rendre la justice. Mhm. Bon, déjà, elle, la Constitution elle-même, à, à l'article 10, elle a dit tous les Nigériens euh, naissent libres et égaux en droit et en devoir. Vous voyez, donc là, c'est juste. Mais on dit toutefois, l'accès de certaines catégories de citoyens aux mandats électoraux, aux fonctions électives, aux emplois peut être favorisé par des besoins prévus par la loi. Mhm. Donc là, il y a déjà une inégalité. la, Constitution. Elle a posé un principe, mhm. mais elle a dit, mais exceptionnellement, voilà, voilà, on peut mettre un sur l'égalité là. Mhm. Et maintenant, le juge lui-même, mhm. le juge, lui, il juge avec force et vérité légale. Le juge, il regarde les textes. Il regarde les textes. il y a un élément par exemple, s'il y a une infraction, il y a, son élément légal, donc elle va regarder ce que la loi dit, mais maintenant elle va faire aussi appel à sa propre conviction. Et comme euh, l'a dit M. Lori tout à l'heure, effectivement, on, vérifie la chose, mhm. n'est-ce pas On regarde le comportement de chacun, on regarde le contexte de la chose, on regarde les objectifs. En faisant quoi, on rend service à la société. Mhm. Et le juge, donc, il, a, il va se permettre ce qu'on appelle les circonstances euh, atténuantes ou les circonstances aggravantes. Donc, c'est beaucoup de facteurs qui interviennent dans la manière de dire le droit. Mhm. Et déjà au 19e siècle, il y a un célèbre juge en France, le juge Magnon, qui a dit que Dieu nous garde de l'équité des parlementaires. Mhm. Parce qu'une femme avait, euh, elle avait des enfants à nourrir, mhm. elle avait elle avait faim, elle n'avait rien du tout. Et elle a cassé la vitre d'une boulangerie pour vendre un pain. Mhm. On l'avait arrêtée, maintenant elle est allée devant le tribunal, le juge euh, à, euh, côté des circonstances très très atténuantes. Il mhm. a dit il ne peut pas aller selon l'équité des parlementaires. Les parlementaires, c'est eux qui font la loi. Donc si on doit dire telle personne a fait telle chose, voilà la peine, alors là, il faut que Dieu nous présente de ça. Il faut faire appel à d'autres sentiments, d'autres contextes. Et le juge a fait appel à d'autres réflexions mm-hmm. pour vraiment regarder cette dame-là d'une autre manière. Il arrive, est-ce qu'il arrive que le, les juges le fassent notamment Mais bien euh, sûr, même au dans tous les systèmes judiciaire, mhm. il y a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes, les circonstances euh, atténuantes, même les juges constitutionnels. Mhm. Il faut regarder un peu les décisions du juge constitutionnel. Et cela relève des convictions du juge Ça relève des convictions, du juge. J'ai dit mhm. tout à l'heure que c'est le juge qui fait l'état de droit. L'état de droit en France, la France, qu'est-ce qui a fait la France la, démocratie française, c'est le Conseil d'État français qui, depuis les années 1800, donnait des décisions censurer l'administration, censurer les citoyens, Il y a le cas de l'arrêt La qui est très célèbre. Il y a beaucoup d'arrêts, bien avant l'arrêt la, bien avant même Blanco, même le juge de la Cour de cassation. Et depuis 1958, le juge du Conseil constitutionnel. Mm-hmm. C'est le juge qui donne la manière de faire les choses. Mm-hmm. C'est le juge qui, qui, ouvre la voie, c'est lui qui dit voilà comment il faut faire. Sans le juge, on ne peut pas faire la démocratie. Le rôle du juge est le plus grand que le rôle des autres acteurs mm-hmm. politiques, euh, les administrés que nous sommes, etc le juge il est appelé à donner le plus grand rôle par rapport à la consolidation de l'état de droit. Donc, l'état de droit, c'est le juge qui le fait. Et le juge, il peut faire appel à, à sa propre conviction. Si je prends mhm. l'exemple du juge constitutionnel ces derniers temps en Afrique, mhm. après les élections, on a souvent le tissu social qui est déchiré, les acteurs au bord de la, de, la guerre. Mhm. Et on vient vers le juge constitutionnel. C'est-à-dire la, Cour constitutionnelle. La ou le Conseil constitutionnel, des cas, mhm. pour dire une décision. Mais le juge, il regarde la température du pays pour donner la décision qui va forger la paix. Mhm. Donc, il ne s'agit pas ici de donner une décision. Il ne s'agit pas de dire toi tu as raison, toi tu n'as pas raison. Mhm. Il s'agit de donner une décision qui va forger la paix, mhm. qui va construire la nation. Et c'est là qu'on a des juges progressistes et des juges qui ne sont pas progressistes. Quand l'État est déliquescent, mhm. quand les acteurs politiques ignorent certains aspects et ne regardent pas certains risques qui amènent vers la guerre civile, le juge constitutionnel est obligé de s'assumer en donnant une jurisprudence à même de forger la paix et la démocratie. Vous parlez de, jurisprudence, ça veut dire quoi la jurisprudence justement ça veut dire que euh, La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. C'est voilà. les, les, décisions que les tribunaux de judiciaire ont l'habitude de donner par rapport à une situation bien déterminée. Bien déterminée. Et quand Souvent, la... c'est pour éviter le déni de justice pour éviter Oui, pour éviter le déni de justice, pour éviter maintenant socialement le désastre social. Mhm. la décision que le juge nigérien va donner par rapport à un phénomène, doit peut être différente de celle que le juge, je ne sais pas, béninois ou sud-africain va donner par rapport aux mêmes éléments parce que les pays ne sont pas les mêmes, les la température n'est pas la même, l'électricité n'est pas la même. Mhm. Donc il faut, il faut forger la paix. Dans la, décision du juge mhm. doit être une décision qui consolide la démocratie et l'état de droit. Il ne s'agit pas de voir uniquement l'intérêt de celui qui a demandé. Mhm, voilà. Vous avez, pris vous, vous avez pris justement l'exemple de la Cour constitutionnelle qui est le juge électoral, comme on le dit. Ça veut dire que pour que le président soit élu, après le travail de la CENI, par exemple, il faut que la Cour constitutionnelle euh, proclame et valide euh, ces, mêmes résultats. la Cour, c'est elle qui, valide d'abord les candidatures aux élections générales. Au, début, à la fin. à la fin. Et c'est elle qui supervise mhm. et qui valide aussi les, résultats transmis par la CENI. Donc tout ça, ce sont des véritables, euh, ce, sont, des risques Mhm. qui peuvent conduire une nation vers des épreuves très dangereuses. Les élections aujourd'hui en Afrique, il a été démontré que le cycle électoral est la période vraiment du basculement mhm. de la démocratie vers l'anarchie, mhm. de la stabilité sociale vers les troubles sociaux. Et il y a un catalyseur qui a été, c'est le juge constitutionnel, et il est appelé à jouer un rôle très très important par sa sagesse, par sa technicité, par sa manière de dire le droit. Il doit mesurer la température du pays et non la température des bords politiques. Justement, par rapport à ça, il a le dernier mot. On l'a dit, c'est devant les membres de la Cour constitutionnelle que le président de la République prête serment. Ça veut dire qu'une fois qu'il ne valide pas, ça veut dire qu'il faut reprendre les élections. Mais bien sûr, bien avant la, prestation de serment, il y a la, proclamation des résultats définitifs. La Cour euh. constitutionnelle, par exemple, en matière électorale, c'est elle qui valide euh, de façon définitive les, les, les scrutins. C'est elle qui parle c'est elle qui dit bon, les résultats tels donnés par la CENI, je les consacre à partir d'aujourd'hui. Et c'est mm. fini, en ce moment-là, ils sont indiscutables. Mm. Alors, tout ça, c'est des grandes responsabilités qui ont été données aux juges. Mm. Et pas seulement le juge constitutionnel, même le juge administratif. Il intervient dans la matière électorale, il intervient dans d'autres matières qui peuvent forger la démocratie et l'état du droit. Tout à l'heure, je parlais du, du, du cas français. Mais le juste le juge de la Cour de cassation, les cours et tribunaux, ils sont appelés à nous à nous faire renaître culturellement. Mhm. Je fais un lien avec le concept de renaissance culturelle, mhm. et que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il nous faut faire beaucoup de travail et de réflexion pour euh, cerner ce concept-là, qui est positif, mais je pense qu'il faut même euh, l'enlever de son carcan politique pour le travailler scientifiquement. Mhm. La renaissance culturelle, c'est une bonne chose. On peut renaître, même les juges peuvent nous faire renaître culturellement, parce que la renaissance culturelle, c'est quoi Il faut adopter de nouvelles mœurs, à même de faire la démocratie et le développement. En gros, vous voulez dire que la justice peut contribuer à cela La justice, elle, elle est appelée à jouer un très grand rôle. Mm-hmm. Elle est appelée à jouer un très grand rôle. pourquoi est attendu beaucoup. le citoyen attend beaucoup de la justice. La, question, la question, initialement posée, euh, justement, c'est ça. Qu'est-ce qui fait cette garantie Parce qu'au niveau des acteurs politiques, on a l'impression qu'à l'approche des élections, ils le disent souvent, docteur, c'est qu'ils n'ont pas confiance à la Cour constitutionnelle. Ils disent ils n'ont pas. Et actuellement, nous avons des situations où euh. Euh, des citoyens même disent bon, en fait, ils sont un peu méfiants on ne sait pas comment qualifier cela. Quelle, est la garantie en fait sentiment général en Afrique, tiers-monde, mhm. en général, et en Afrique en particulier, mhm. notamment au Niger. On, on se méfie du juge. mais la première idée que j'ai à souligner, c'est que dans tout système, euh, on a intérêt à ce que le pouvoir judiciaire mhm. soit debout, à l'effet de faire contrepoids aux autres pouvoirs. On a intérêt à avoir un pouvoir judiciaire très fort, très euh, euh, honnête, très sincère, qui fonctionne normalement, qui fait contrepoids au pouvoir exécutif et au pouvoir euh, législatif. Donc, le sens même de la théorie de la séparation de pouvoir élaborée par Montesquieu depuis plus de deux siècles maintenant, c'est de euh, d'arrêter la toute-puissance de l'exécutif. C'est ce que les citoyens attendent du tout pouvoir judiciaire, y compris ici au Niger. Et même dans la Constitution, je pense qu'il a ce rôle-là. Et de par cela, les juges doivent comprendre le rôle qui est attendu d'eux. Ils doivent savoir l'espoir que la population attend d'eux. Ils doivent juger vraiment avec euh, une indépendance d'esprit. Ils doivent juger euh, sans parti pris. Et ils doivent juger vraiment euh, au nom de la nation. Parce que l'article que nous, que nous oublions tout c'est que on dit la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle du droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. C'est l'article 117. 117. Mhm. Les décisions de justice s'imposent à tous, au pouvoir public comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées dans la loi. Tout le poids qui pèse sur un juge est là. Donc, si aujourd'hui des citoyens ou des des pans entiers de la population craignent le juge par rapport à certaines choses, c'est tout à fait normal. C'est que des choses qui ne sont pas bonnes ont été constatées, mhm. mais sans remettre en cause la crédibilité aussi de la justice. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pouvoir. Aujourd'hui, et, le, dernier rempart contre l'arbitraire, c'est la, justice. La dernière chose pour laquelle le pouvoir exécutif, il peut, il peut être n'importe quoi, hein. il peut ressembler à n'importe quoi le pouvoir législatif, il peut ressembler à n'importe quoi, mais le pouvoir judiciaire, lui, il ne doit pas ressembler à n'importe quoi. C'est, ça doit, incarner, ça doit incarner le véritable pouvoir, ça doit incarner la véritable souveraineté, parce que c'est lui-même qui doit faire le contrepoids recherché. Monsieur Lole Abdulimam, quel est le rôle euh, que doit jouer la justice en vue de l'effectivité du principe d'égalité des citoyens Justement, euh, c'est la même question, je pense que qu'on est en train d'aborder tantôt. Euh, vraiment, la justice, euh, c'est le véritable baromètre. Hein de l'équilibre social, mhm. euh, véritablement. Là, tout à l'heure, par exemple, avant d'entrer dans le studio, je lisais bon, un titre, euh, La justice en guerre. Il semble que, par exemple, le Saman, je crois, a fait une déclaration, bon, enfin, a pris, je crois, le parti d'un des juges qui lui a écrit et tout. Et puis, bon, d'autres juges euh, ont répondu. Il y a comme une guerre qui se mène. Mhm. là, je reviens vraiment à ce que tout à l'heure, le docteur disait. Je pense que les juges doivent avoir quand même en vue cette mission extrêmement importante. vraiment le rôle qu'ils jouent. Euh, vraiment dans la société. Parce qu'à mon avis, euh, c'est pas parce que bon, on occupe une fonction euh, vraiment qu'on doit piétiner sur ces principes-là. Je pense que, quelle que soit, disons la fonction qu'on occupe, qu'on occupe quand on est juge, il faut prendre conscience vraiment du rôle qui est le sien et de l'importance de la justice, vraiment dans l'équilibre de toute société. absolument. Une société où la justice n'est pas garantie, je pense que elle n'a pas de chance de survivre. Ça, c'est évident. Dans un état de droit, justement, on dit souvent que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Comment expliquer cela quand on sait qu'il y a des inégalités sociales, Monsieur Lolle oui, euh, c'est un fait. Les inégalités sociales euh, sont claires. Je vais dire il y a plusieurs types d'inégalités. Il y a d'abord des inégalités naturelles. Euh, par exemple, vous trouvez des... Nous n'avons pas tous la même santé. Mhm. Vous trouvez des gens qui sont malades euh, à la naissance même. Mhm. on n'a pas les mêmes dons, les mêmes aptitudes, les mêmes qualités, etc. Donc là, je pense qu'il y a déjà une inégalité, si vous voulez, qui est naturelle. Bon, à côté des inégalités naturelles, il y a ce qu'on appelle les inégalités artificielles, qui sont dues, bien sûr, aux conditions sociales, à l'argent, etc. Bon, mais en dépit de tout ça, euh, effectivement, aujourd'hui, on parle de l'égalité. Tout à l'heure, on a lu un article hein, selon lequel donc, tous les Nigériens laissent libres et égaux en droit. Je pense que c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, qui, l'a dit. Bon, euh, de façon générale, en ce concept d'égalité des personnes. Voilà, ok. Mhm. Ce concept d'égalité des, personnes, je pense, est d'origine surtout chrétienne, hein. hum. n'est-ce pas C'est pour la première fois, c'est dans, la Bible, hein. hum. nest pas, qu'on a dit que donc toutes les âmes ont la même dignité parce que tout étant créé par le même Dieu. Hum. Donc, indépendamment du fait qu'on soit noir, blanc ou autre, n'est-ce pas, nous sommes euh, tous égaux. Je veux dire, euh, toutes les âmes sont égales toutes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Donc de ce point de vue, il y a, le concept d'égalité ici qui est là. Bon, euh, dans les sociétés, disons, toujours primitives là, on ne saurait parler d'égalité, je pense, peut-être qu'au sein d'une même classe ou catégorie sociale. Mm. Puisque pour citer des sociétés qui étaient hiérarchisées. Vous avez des nobles, des serfs, des esclaves. Soit dit en passant, les esclaves n'ont même pas de droit. Mm. Je crois jusqu'à présent au Niger, parce que ça existe encore. Euh, la loi nigérienne a aboli l'esclavage. Bien sûr, mais, dans le fait, euh, je pense que euh, vous avez encore des associations de droits de l'homme qui luttent contre ça, mm-hmm. n'est-ce pas, et qui mm-hmm. ont de, la matière à travailler mm. <laughs> jusque-là. Donc ça veut dire que... qu'il y a des endroits où c'est pas respecté Bien sûr, c'est pas propre au Niger, malheureusement, mais je mhm. pense que c'est un peu dans, toute la sous-région. Euh, et c'est bien dommage. Au XXIe siècle, continue à penser, à parler en fait de, de ça. Donc, je pense que euh, quand on en vient à l'idée que les hommes sont égaux, ça ne veut pas dire que bon, ils sont identiques les uns des autres, mhm. n'est-ce pas C'est pas une égalité de fait, n'est-ce pas euh, Bon, je pense que les hommes sont égaux en droit. Et là, je pense qu'il faut même le voir sur un double point de vue. Quelquefois, on met S, <laughs> euh, n'est-ce pas, à droit, et d'autres fois non. Mhm. Euh, quand on dit que les hommes sont égaux en droit et qu'il n'y a pas d'S, ça veut dire que bon, tous, on a le droit à une même reconnaissance, et une dignité humaine, mhm. n'est-ce pas, indépendamment de nos conditions, ainsi de suite, de nos qualités dans la société, etc. Mais quand on met S ça veut dire que tous les hommes euh, ont les mêmes droits civiques. Mhm. Par exemple, hommes ou femmes, euh, par exemple, ou riches ou pauvres, n'est-ce pas euh, Tous les citoyens, par exemple, ont le même droit, par exemple, à accéder à la fonction publique au Niger. Le droit de vote. Voilà, par exemple, le droit de vote le était cela. Voilà, donc là, nous avons les mêmes droits mhm. civiques. C'est un mhm. instrument qu'on met S. Donc, je pense que c'est ce que ça veut dire. Il il faut donc pas prendre à la lettre quand on dit vraiment les hommes sont égaux. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir. Euh, Docteur, euh, c'est vrai, il soulève une inégalité qui est là et qui est palpable. Il s'agit notamment euh, de la question de l'esclavage, puisque d'un point de vue social, ça continue à être considéré, alors que nous savons que la loi dit, comme vous l'avez dit au niveau de l'article 10, l'article 10 dit que tous les citoyens nigériens naissent libres et égaux. En fait, quel remède apporte la justice aux différences sociales, raciales, religieuses ou ethniques des citoyens Oui, quand on lit la Constitution, euh, non seulement nous sommes tous égaux en droit et en devoir, mhm. mais aussi euh, il est banni euh, certaines discriminations. Mhm. Il est banni certaines pratiques comme l'esclavage. Donc la Constitution du Niger, <clears throat> qui rappelle, je le dis, et qui intègre dans son préambule les pactes de 66, mhm. la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine euh, des droits de l'homme et du peuple, qui ont aujourd'hui une valeur constitutionnelle au Niger. Mhm. Donc, euh, à la lumière de ces textes-là, mhm. on peut dire que euh, il n'y a pas tous les droits et les, tous les droits sont consacrés. Il n'y a pas de discrimination. Il est banni l'esclavage et je pense que on est sur la voie de l'état du droit. Mmh. Parce que tous ces textes-là, euh, vraiment, disent presque la même chose par rapport à la, à aux droits humains, aux mmh. libertés, à la dignité humaine. Maintenant, c'est une question d'effectivité. Il faut euh, euh, chercher à rendre effectif. tout à l'heure, on parlait de l'esclavage, qui est encore une survivance dans certaines de nos traditions africaines. Mmh. Hein, je cite particulièrement la Mauritanie, hum. mais même ici au Niger, il a été relevé que il y a des, des, groupes ethno-linguistiques où euh, la question de l'esclavage ne veut pas, sans être euh, totalement abolie, euh, un peu encore, hum. n'est-ce pas Donc là, les pouvoirs publics euh, doivent redoubler d'efforts, notamment les juges hum. et les associations de droits de l'homme elles, font leur travail. Tout à l'heure, euh, M. Sani Abdou avait euh, parlé des associations. Effectivement, il y a beaucoup d'associations dans le domaine euh, de l'esclavage qui luttent pour l'interdiction totale de l'esclavage. Elles font beaucoup leur efforts. C'est elles qui révèlent même souvent ces manquements-là. Mais je pense que les pouvoirs publics, notamment les juges, doivent faire preuve de fermeté par rapport à ces survivances-là qu'on rencontre, surtout dans les zones nomades, dans les zones nomades du Niger. Et l'esclavage maintenant, et ça, c'est l'esclavage ancien. Il y a d'autres formes d'esclavage un peu plus modernes, euh, arrimées à ce qu'on appelle aujourd'hui le trafic de personnes, mm. et qui est un, véritable esclavage aussi. Et je pense que là aussi, les pouvoirs publics doivent faire euh, tout pour vraiment exécuter, euh, pour appliquer la loi, hein, pour euh, condamner les personnes qui font encore ce genre de pratiques-là il faut condamner donc à travers euh, la loi. nous parlons à ce niveau des principaux droits et devoirs euh, des citoyens, puisque quand on parle de justice, il faut mhm. parler de ces droits. docteur, euh, quels sont ces droits et devoirs des citoyens et quels sont les tests qui les prévoient Bon, les droits et les devoirs, ils sont nombreux. Mhm. Tout à l'heure, je disais que. Euh, on a beaucoup de droits. Euh, on a d'abord les fondements de ces droits. Mhm. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens du 10 décembre, 1948, qui est rappelée dans notre préambule ici de la, Constitution, parce que le préambule de la Constitution nigérienne euh, dit proclamer notre attachement au principe de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. Mhm. On rappelle aussi les parties de son 6 et la Charte africaine des droits de l'homme. Mhm. Donc tout ça, ça parle des droits et des devoirs. Puis la Constitution elle-même, dans son corps, on a beaucoup de droits. Mhm. La liberté de parole, la liberté de penser, la liberté d'aller et revenir, le mhm. droit de se syndiquer, hein, le droit de s'associer. Donc, euh, il y, a beaucoup de droits. Il y, a tout, y a tout un titre le titre 2 qui est consacré aux droits et devoirs de la personne humaine. Qu'en est-il des, de est devoirs De, l'article 10 à l'article 45, on parle des droits et devoirs. 35 articles de notre Constitution énumèrent la question des droits et devoirs. Mhm. Alors, je suis de ceux qui n'ont pas trop trop parlé du droit. Mhm. parce que Parce qu'au Niger, et un peu partout au monde, on a tendance à dire mon droit, mhm. j'ai le droit, j'ai la liberté, mais on oublie que la même Constitution a mis sur notre tête des charges. Mhm. Elle fait peser sur nous des charges. Les devoirs, ce sont des charges Pouvez vous Nous quelques-uns de ces devoirs Je vais, avec votre permission, lire quatre articles. Mhm. Par, rapport aux devoirs. par rapport L'article 38 de la Constitution dit mhm. La défense de la nation et l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen. C'est-à-dire c'est un devoir, mais un devoir sacralisé par la Constitution. Aujourd'hui, le Niger est un pays... Euh, euh, un pays euh, qui connaît des belligérances. Chaque citoyen Il faut que chaque Nigérien retienne que ce n'est pas seulement l'affaire des militaires, ça. Ce n'est pas les policiers, les mhm. gardes et les militaires qu'on tue chaque matin. Chacun mhm. a le devoir sacré de défendre sa patrie. Donc, on a le devoir de prendre des armes pour aller combattre les jihadistes de la région de Tilaberi ou bien pour aller combattre Boko Haram ou bien l'insécurité La suite pour les devoirs, docteur, parce que nous sommes à la fin. Tout à fait. Le service militaire est obligatoire. Bon, je saute là. L'article 39. Pourquoi c'est pas respecté le service militaire est obligatoire Et eh bon, je pense que ça c'est pour des questions de c'était pour des questions bon, peut-être là. Les devoirs. ça veut dire que si l'État l'exige, ça veut dire que les citoyens sont appelés Mais le service militaire doit revenir. Si l'État demande cela, ça veut dire que les citoyens doivent Voilà le problème. Le service militaire obligatoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui on vous demande d'aller le faire, vous n'êtes pas fondé à dire je ne le fais pas. Mhm. mais, mais maintenant, l'armée, est-ce qu'elle a les installations nécessaires pour faire le service militaire à tout le monde Parfois, ce devoir, il faut que l'État demande euh, à que ce que demande. le citoyen. le si l'État le demande, le citoyen a l'obligation. Mais il a l'obligation. Les autres devoirs, docteur. Les autres devoirs. L'article mhm. il dit l'article 39, tout citoyen nigérien civil ou militaire a ah, l'obligation ah, ah, absolue de respecter, en, toutes circonstances la, Constitution et l'ordre juridique de la République sous peine des sanctions prévues par la loi. Mhm. Ça, c'est un véritable devoir. Mhm. Nous devons respecter la Constitution, mais aussi faire respecter la Constitution. le 40 dit, euh. tout citoyen a le devoir de travailler avec dévouement pour le bien commun de remplir ses obligations civiques et professionnelles et de s'acquitter de ses contributions fiscales. Mhm. C'est un devoir. On n'a pas besoin de venir derrière vous pour payer vos impôts. Il y a, un, dernier, devoir très très important. Ça, c'est les devoirs prévus par la Constitution. la Constitution. Mhm. L'article 41 dit les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout mhm. acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi. Donc, vous voyez, rien, que les articles 38 et 41 suffisent amplement pour dire aux citoyens que, avant de parler de tes droits, pense aux devoirs. Les devoirs, ce sont des responsabilités constitutionnelles que nous devons. De... Quel rapport, euh, <laughs> en une minute, s'il vous plaît, quel rapport existe-t-il entre les droits et les devoirs En fait, il y a une réciprocité entre mhm. droits et devoirs. Euh, mon droit chez autrui correspond à une obligation à, mon égard mhm. et réciproquement. Mhm. Hein? si par exemple, euh, moi je suis pris à partir dans un journal, mhm. normalement j'ai, euh, comment dire, le droit de réponse. je, dois euh, je viens réclamer. Voilà, mhm. j'ai le droit de réponse. Et si vous voulez, le directeur de publication a l'obligation, mhm. je pense au prochain numéro, de faire paraître par exemple mon droit. Donc elle est réciprocité. mon droit chez autrui, c'est une obligation à son égard. C'est là qu'on voit. Leur devoir, les citoyens vont beaucoup plus jouir de leurs droits. Voilà, il y a une réciprocité. Mon droit, c'est une obligation et réciproquement. Bien sûr, en fait, je pense qu'il faut peut-être préciser. Permettez-nous d'accélérer. Docteur, nous voyons quand même de plus en plus qu'il y a des citoyens qui n'ont pas confiance à la justice, on l'a dit. nous voyons aussi qu'il y a des lois, tant ça tombe, on pense que ce n'est pas une loi qui est juste. Est-ce qu'il arrive qu'on ait des lois injustes, euh, docteur Je un peu par rapport à la justice avant d'aller aux lois. Mhm. Et souvent, on n'a pas confiance aussi à la justice par ignorance. Mhm. Souvent par peur d'aller euh, perdre du temps et de l'argent. Hum. Parce que quand on dit un jugement, souvent va revenir, ce demain, c'est reporter, c'est un avocat qu'il faudrait prendre, il faut copier tel ou tel document. Donc, un pauvre qui cherche à acheter un kilo de riz, mhm. quand il voit toute cette procédure-là, il a tendance à ne pas aller vers le on juge. un mot donc aux citoyens qui ont peur de la justice. Hein, voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui mhm. qui assistent le citoyen dans les procédures judiciaires. Les citoyens me connaissent tout Mais les citoyens me connaissent tout cela. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller devant le juge. Il faut aller frapper à la porte d'un juge. L'état du droit, c'est quand on a la possibilité de venir, monsieur le juge, on m'a fait telle chose, faites-moi entrer dans mon droit. C'est ça aussi l'état de droit. là, oui. je juste placer un mot par rapport à la question que je trouve être euh, importante et surtout d'actualité. Mhm. Il peut-il y avoir des lois injustes euh, Je pense que euh, nous, nous pensons, du moins en, philosophie, donc on parle par exemple du droit positif, bien sûr, et puis du droit, naturel. Mhm. Voilà, il faut qu'il y ait normalement concordance entre ces deux types. L'idéal est que donc le droit naturel serve de, mesure, mhm. n'est-ce pas, au, droit positif. Bon, malheureusement, euh, étant donné que le droit positif émane de la volonté du législateur, mhm. malheureusement, le législateur mhm. n'est pas euh, un esprit désincarné, ce n'est pas des anges, mhm. c'est des personnes humaines qui sont ce type d'erreur. Euh, il, peut, arriver absolument qu'il y, ait, des lois injustes. Je peut y être l'attitude des citoyens quand il y a une loi injuste alors Il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, en Tunisie, en ce moment, au mois de Ramadan, je, crois que, comment dire, il y a une obligation mhm. de ne pas manger. fait, on interdit aux gens, par exemple, de manger publiquement. Voire même, on fait obligation à tous les restaurants. Ou aux musulmans non. qui ne jeûnent pas. Euh, bon, alors mhm. que l'islam lui-même, mhm. en fait, euh, je, pense l'islam lui-même autorise certaines catégories de personnes. Ça veut dire que c'est euh, des ça peut être injuste. Bon, du coup, je trouve que c'est injuste. Hein, là de, bon, si vous êtes, par exemple, célibataire et que vous êtes dans ces conditions, mais vous avez le droit de manger. Que doit être l'attitude du citoyen, monsieur, quand une loi est injuste ou quand une loi, il estime que la loi est injuste Je pense que euh, l'homme juste face à une loi injuste, mhm. si vraiment euh, il respecte la justice mhm. en tant que valeur, quoi qu'il lui en coûte, il ne respectera pas la loi. Mhm. Je répète, face à une loi injuste, vraiment l'homme juste euh, doit désobéir à cette loi. C'est un sujet Même difficile. Euh, un mot, un bah. mot rapidement, puisque nous sommes au terme de l'émission. Par exemple, nous avons actuellement nous avons le cas de la loi de finale 2018 qui reste contestée, que d'aucuns pensent injuste. Est-ce qu'il peut y arriver qu'on ait une loi injuste vous, pensez cest c'est peut-être pas trop, trop approprié. Il faut poser le problème, la problématique de la qualité ou de la perfection des lois. Mhm. Alors, et dans tous les cas, une loi euh, elle, vient pour gérer de façon ponctuelle mhm. une situation bien déterminée. Quand euh, des pans entiers des citoyens estiment qu'elle a des, insuffisances, qu'elle mhm. elle est inadaptée, il y a des écueils, eh bien, il faut enclencher aussi les mécanismes de la révision, mhm. hein, de la modification qui sont. Euh, les citoyens peuvent. quels sont les moyens dont ils disposent Ah, ils ont beaucoup de, moyens. Par exemple. ils ne doivent pas rester silencieux. Donc. Mais bien sûr, on peut, on peut, on peut d'abord demander mhm. aux, députés eux-mêmes de modifier telle loi. C'est vrai, euh, les citoyens aujourd'hui n'ont pas l'initiative des lois. Mhm. Mais vous savez, il y, a, un peu le lobbyisme qu'on peut faire. Aujourd'hui, vous pouvez passer par un député, deux ou trois, pour euh, euh, faire une proposition de loi. Aujourd'hui, derrière les lois, beaucoup de lois sont rédigées par la société civile mhm. ou bien par le parlementaire lui-même. Nous sommes au terme de cette émission. Nous allons peut-être. On a euh, plusieurs pistes. Oui. La mm. je crois que bon, le juriste doit certainement savoir. Il doit avoir des dispositions, non, pour euh, qui disent que euh, vraiment face à un ordre manifestement illicite, ben, nous avons le devoir de ne pas. nous allons certainement, nous allons certainement revenir sur ce sujet au cours de nos prochains forums. C'est donc la fin de ce forum du studio Kalangu dans lequel nous avons abordé ce soir la thématique la justice face aux droits et aux devoirs des citoyens. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Monsieur Lolé Abdulema professeur de philosophie et docteur Maïna Kate, il est constitutionnaliste. Euh, merci donc et bonne rupture de jeûne. Excellente soirée à tous. Euh, retrouvez demain vendredi à 18h15 euh, Mokta Hamadou et les journalistes d'autres organes pour analyser l'actualité de la semaine. Au revoir.